Chers auditrices et auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous accompagner dans notre émission Le Niger sur Kalangu. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 27 octobre 2023 pour la présentation c'est Rabia Meikano et Ali Munkaila. Bonjour Seno, en forme ce matin Ça va bien Rabi, Dieu merci. Et toi ça va de ton côté Tout roule, tout roule de mon côté. Tranquille alors, qu'avons-nous au menu ce matin Ce matin comme d'habitude nous aurons un flash d'informations, la revue de presse de chaque vendredi. Pour la rubrique éco des régions, nous irons à Goudoumaria dans la région de Difa pour parler d'une tradition, le port du sabre et son importance il y aura naturellement de la musique. Et oui, notre invité du jour se nomme Sirius. Il est l'un des finalistes du concours national de chant Sarkiwaka. Parcours et préparation à la veille de la grande finale, c'est dans cette édition. Un big up à l'équipe qui assure la bonne marche de cette émission. Il s'agit de Raila Toussoumana à l'édition et Issa Lawali à la technique, sans oublier toute l'équipe rédactionnelle. On est paré pour le décollage. Rebonjour, chers auditeurs. Voici le flash d'information qui sera présenté par Rafika Ataher. Bonjour, Rafika. Bonjour, Rabi. Comment tu vas ça va bien. Hein. Eh bien, pour ce matin, dans un communiqué publié mercredi, le Front Patriote pour la souveraineté a décidé de déposer dans les prochains jours une plainte contre Patrice Talon, le président béninois, Bola Ahmed Tinubu du Nigeria et autres devant la Cour africaine des droits et peuples, ainsi que devant d'autres juridictions internationales pour violation grave du droit international. C'est suite aux conséquences des sanctions illégales auxquelles font face la population nigérienne depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, indique le communiqué. Le FPS lance par ailleurs un appel à témoins de tout fait de quelque nature que ça soit susceptible de documenter la dite plainte. Ensuite, dans une note publiée par la Direction générale du port autonome de Cotonou, les importations des marchandises à destination du Niger sont suspendues à partir du 25 octobre, date de la signature même de la dite note. Toutefois, trois régimes assortis de plusieurs facilités ont été proposés aux opérateurs économiques dont les cargaisons sont en instance d'enlèvement sur le territoire béninois dans le chargement d'itinéraires et de destination. Et enfin, pour aujourd'hui, les archives audiovisuelles racontent les histoires de la vie et des cultures des peuples du monde entier. Ce 27 octobre, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel sous le thème Votre fenêtre sur le monde. Cette célébration est une initiative clé de l'UNESCO et du Conseil de coordination des associations d'archives audiovisuelles pour honorer les professionnels de la préservation audiovisuelle et les institutions qui sauvegardent notre patrimoine pour les générations futures. C'est tout pour ce flash information, Rabi. Merci, Rafika. À bientôt. Comme annoncé à l'entente de cette édition, nous recevons un jeune artiste rappeur au nom de Sirius. Il est finaliste au concours national de chant Waka qui aura lieu demain samedi 28 octobre 2023 à Niamey. Et oui, avec lui, nous parlerons de sa carrière et de sa participation au concours Sarkiwaka. Bonjour Sirius. Bonjour Bonjour. Bonjour Rabi et bienvenue dans cette émission. Mais avant de commencer, nous allons en musique avec un de vos titres. Il s'agit de Baba Kire, c'est pour vous. suna daga nisa ta an ganta ta hese a wace hira ta san ba daɗi domin yar karkara ko abinci kake ci in kankanta sai ka kace amma yanzu ta canza na ruɗe idan na su buɗe zuciya ta na buɗe tunani na ya shuɗe ta ce in bi ta slowly domin tana da honi ta juya ta ce sori kuma gashi ta min baba kere baba kere baba kere cikin zuci baba kere yarinya te baba kere baba kere vavakere chikinzo chivavakere arinyete vavakere adai vavakere vavakere vavakere ah, eh, eh. chikinzo chivavakere yarin ya ta canza to ya zan yi na taho da hira soyayya ta ce min banyi kaɗan tuna baya wa kake ware ni yanzu ina kuje hada ka kire ni tana shakara tana yanga da ɗaɗa stars ɗin ta wuce unguwa da hiyarta akwai gwanin ta hankali ne in ka ce ka kure kalonta da manyan mutane take yi su shuga daji masu kawo abinci bayan na a shiga ɗaki yarinya ta ke ta kula ne ta dami matanin magani abin nan da mamaki ga shekarun baba kere baba kere baba kere cikin zuci baba kere yari yadda baba kere baba kere baba kere baba kere cikin zuci baba kere yari yadda baba kere baba kere a kai baba kere kai baba kere baba kere a baba kere eh eh baba kere cikin zuci baba kere yeah Ok, Kéré, bah, ça c'est du bon sang, hein, nous. <laughs> Bah, voilà, traditionnellement, euh, Sirius, nous partageons les biographies de nos artistes, mais ce matin nous l'avons avec nous, nous avons le privilège de t'avoir avec nous au studio, alors ah. parle-nous de cette chanson. C'est quoi le message derrière Kéré, ça veut dire Et quoi pour la, pour la petite histoire, Baba Kéré, c'est un ami qui me parlait d'une fille qui était dans le quartier. La fille, elle était sale elle ne prenait pas soin d'elle et tout, voilà. Et voilà que après quelques années, la fille connaît une métamorphose. Et là, le gars est tombé amoureux de la fille. Maintenant, <laughs> maintenant, il veut lui dire que il est amoureux d'elle. Mais il sait ce qu'il lui a fait en arrière. Donc, il ne peut pas venir l'affronter et lui dire qu'il l'aime directement. Okay. Donc, c'est pour ça que ça m'a inspiré et j'ai décidé d'écrire le son Super. Alors, Sirius, d'où vient euh, ce, ce nom Sirius Sirius, c'est une étoile, l'étoile la plus brillante du ciel. Elle s'appelle Sirius. C'est pour cela que j'ai pris le même nom. Ah ouais, il va biller euh, <laughs> voilà, <laughs> dans le ciel, plus que toutes les autres étoiles. Voilà, mais quand vous avez commencé euh, le rap, et surtout, pourquoi vous avez commencé le rap et pourquoi ce genre musical Le rap, j'ai commencé parce que dès le bas âge, j'étais un mélomane. J'aimais écouter beaucoup de musique. Mm. Et c'est de, de là que c'est parti. Voilà. Ok. Alors, pouvez-vous nous parler euh, de vos inspirations musicales et des artistes qui ont influencé votre carrière Bon, mes inspirations musicales, je dirais que elles sont un peu bizarres. Ça me gêne même d'en parler ici sur euh, ah le plateau. Hein. Ah bon <laughs> <laughs> On aimerait bien savoir. La plupart du temps, c'est quand je suis sous la douche. Waouh <laughs> D'accord. Ou bien quand je suis seul. En particulier quand je suis seul. Quand je suis seul, hmm. voilà, l'inspiration vient et je profite pour en écrire. Hmm. Mais est-ce qu'il y a des artistes euh, aussi qui, t'inspirent Effectivement, il y a des artistes. Ici au Niger à l'international, au Niger, il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent, comme euh, le groupe MDM Crew, mhm. Ismo One, euh, Force Morale, plein d'autres artistes. Ok. À l'international À l'international, c'est la section d'assaut. Section d'assaut. ok. Je suis fan de section d'assaut. Alors, Cyrus, quels sont les messages ou les thèmes que vous abordez dans vos chansons Généralement, les thèmes que j'aime aborder, c'est l'amour. L'amour. J'ai écrit des sons sur des thèmes comme le panafricanisme, la cohésion sociale, la paix c'est des thèmes que j'aime aussi aborder. Mais en général, je suis trop égo trip. Ok. trip, je fais de l'ego trip. Ok. Et pourquoi ces choix de Ego trip, c'est le... Tu m'excuses un Ok, Ego <laughs> ça veut dire quoi Je suis perdu là. <laughs> ego trip, c'est un style musical que c'est du hip hop. Tu parles de toi en fait. Tu dis que voilà, toi, tu es le meilleur et tout. C'est ça le truc égo trip. C'est vraiment une star. Hein. <laughs> Il maîtrise son domaine. Ah oui. Alors, euh, tu peux nous parler déjà euh, concernant le choix de, ce thème. Tu as dit, voilà, vous avez dit, excusez-moi, vous avez dit que vous préférez parler plus de l'amour. Pourquoi ce choix Parce que c'est un thème qui est trop récurrent. L'amour, euh, tout le monde est amoureux. <laughs> n'est-ce pas ouais. Ah je pense. On espère bien. <laughs> je pense. <laughs> Alors, comment euh, décrivez-vous hein, la scène rap au Niger actuellement Bon, je dirais qu'elle va bien. Ok. La scène rap, elle va bien puisque il y a beaucoup d'artistes qui font tout pour euh, monter le rap nigérien à l'international, qui aimeraient exporter la musique nigérienne à l'international, puisque jusqu'à présent, nous consommons ici, nos musiques sont consommées au Niger. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de pouvoir exporter la musique nigérienne, nigérienne, autant pour moi, en dehors des frontières. Mm. Avant de poursuivre nos échanges, marquons une pause pour suivre la revue de presse. Oui, c'est nous et ça sera avec Nafissa Adamou. Bonjour Nafissa. Bonjour Abi, bonjour Seno. Bonjour. Retrait des troupes françaises, le camp de Walam officiellement retrocédé à l'armée nigérienne, titre le journal en ligne Actu Niger. En effet, Rabi, c'est par une cérémonie symbolique que les responsables militaires nigériens et français ont signé le procès verbal consignant la rétrocession officielle du camp militaire de Walam par les forces françaises aux forces armées nigériennes, et ce, dans le cadre du désengagement des troupes françaises au Niger. Selon les responsables militaires nigériens et français, l'opération se poursuit normalement, indique le site Actu Niger. À la date du 20 octobre, environ 300 militaires français ont déjà quitté le pays et plus de 700 autres sont en instance de départ. Et dans un point de presse animé vendredi dernier à la base aérienne 101 de Niamey, le commandant des forces armées françaises au Sahel, le général Eric Ozan, a indiqué que le gros flux logistique va véritablement commencer cette semaine au total, c'est quelques 2500 conteneurs qui doivent être acheminés hors du Niger et c'est un transporteur externalisé et civil qui s'occupe de cet acheminement. Le processus de ce désengagement des troupes françaises au Niger doit s'achever effectivement le 31 décembre 2023 comme annoncé et convenu par les autorités. à l'actualité, c'est aussi ce premier forum sur la paix et la sécurité de Lomé au cours duquel le ministre d'État euh, Mohamed Ahmed Toumba a exprimé les attentes de la transition au Niger, indique le quotidien gouvernemental Le Sahel. Cette rencontre qui s'est tenue du 21 au 22 octobre à Lomé au Togo a vu la participation d'une dizaine d'États africains qui se sont tous prononcés sous le thème du forum qui est comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique. Et dans son intervention, le général Mohamed Toumba a tenu à faire un rappel des faits qui ont les militaires à prendre le pouvoir, l'insécurité grandissante dans le pays est l'une d'une des raisons selon lui. Le ministre a ainsi plaidé pour un accompagnement en faveur de la transition pour qu'elle atteigne ses objectifs, des objectifs qui selon lui se résument à la création des conditions permettant de mettre fin au terrorisme et au banditisme sur le territoire nigérien traitement contre le rhume, mise en garde de l'ANRP sur l'utilisation des médicaments contenant des vasoconstricteurs tels que la pseudéophédrine et la phényléphrine, nous informe Niger Inter. Et oui, l'Agence nigérienne de réglementation du secteur pharmaceutique, l'ANRP, dans une note en date du 24 octobre 2023, appelle la population à prendre des précautions concernant l'utilisation des médicaments contenant des vasoconstricteurs. Un, vasoconstricteur, retenu est un médicament dont l'action vise à désencombrer le nez. Il s'agit donc en tout de 25 médicaments tels que le litacol sirop et comprimé, le pédotérine, le rhinomycine sachet, le fébrilex comprimé pour ne citer que cela. Selon toujours l'ANRP, les vasoconstructeurs exposent à des effets indésirables, indésirables graves tels que les accidents vasculaires cérébraux, les troubles cardiaques, les convulsions, les troubles psychiatriques ainsi que les réactions cutanées graves. Et ces effets indésirables peuvent survenir quelle que soit la dose et la la durée du traitement, rapporte à Niger Inter. En outre, l'organe régulateur du secteur pharmaceutique au Niger rappelle à la population d'éviter l'automédication et de toujours faire recours à un professionnel de santé en cas de maladie. C'est la fin de cette revue de presse. Merci, bien, Nafissa. À la semaine prochaine pour notre revue de presse. On se retrouve alors. Retour au studio pour euh, notre entretien avec Sirius. Alors, Sirius, vous participez au concours de chant Serkiwaka. Qu'est-ce que ce concours signifie pour vous et est-ce qu'il y a euh, des ouvertures ce, concours signifie beaucoup pour moi, puisque c'est la première fois que je parviens à faire un concours comme celui-ci. Mhm. C'est ma première fois. Et de merci, j'en suis à la finale. Donc euh, j'espère que tout va bien se passer et j'espère qu'il y, y aura beaucoup d'ouvertures. La première phase, ça a été comment la première phase, je dirais que ça a été cool. Je ne me suis pas mis la pression, je suis resté moi-même, j'ai fait ce que j'avais à faire et tout s'est bien passé. De toute Comment façon, était... c'est une star. Hein. Ah. <laughs> Comment étaient les niveaux de tes adversaires Est-ce que c'était un niveau élevé ou... Ouais, ils étaient, ils étaient tous bons aussi. Ils étaient tous bons. C'est, il y a deux choses qui, qui jouent le travail et la chance. Moi, j'ai eu les deux. <laughs> Qu'est-ce que je t'ai dit <laughs> ben voilà. Et vous êtes arrivé en finale. Est-ce que tout est OK Vous êtes prêt pour la grande finale de demain Comme on le voit ici, là C'est OK Ouais, je dirais que je suis fin prêt. Il y a juste quelques retouches à faire des derniers réglages. Mhm. Et je pense que c'est bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous démarque euh, des autres concurrents et comment pensez-vous que cela vous donnera un avantage Bon, je dirais que je ne me focalise pas sur un seul style de rap. J'essaie de faire un peu du tout. De l'afrobeat, de l'afro-trap, de l'ego trip, du RB, j'essaie de faire un peu du tout. Mélanger du Hausa, du Zarma avec du français pour en faire un truc euh, vraiment cool quoi. J'espère que c'est ça qui, fera la différence. Et ce qui va le plus faire la différence, ça sera la plume, ton texte. Ah oui, il faut des mots. Hein. Il est sûr de lui, le mec. <laughs> il faut des mots. Ça, c'est bien. vous savez combien de finalistes tu, peux nous le dire Vous serez Il y en a 20. 20, finalistes Oui, c'est par région. Lui, il y, a, ah. deux finalistes ou bien trois qui vont représenter la région de Niamey. la, région, de Niamey, il y a trois, les autres régions aussi. Il y a deux, trois. Ah oui, c'est énorme. C'est chaud ça. Mais maintenant, quelles sont vos attentes Avez-vous des projets futurs que vous aimeriez bien partager avec vos fans et le public c'est sûr. C'est sûr. Il y aura beaucoup de projets avec les fans puisque je ne veux pas que ce parcours s'arrête là. Après Sarkin Waka, j'ai des ambitions. Je voudrais faire un album ou bien faire une mixtape, faire des clips et pouvoir exporter ma propre musique à l'extérieur aussi. Hmm. Ok. Et actuellement, tu, tu comptes combien de titres Franchement, je sais pas. ah oui, c'est beaucoup. <laughs> Je sais pas puisque je fais, j'entasse, je fais, j'entasse. Mais ceux qui sont en ligne, je crois qu'il y en a cinq ou six comme ça, ceux qui sont en ligne. Mais il y en a plein que, puisque même Babakiri n'est pas encore en ligne. Ok. Il y en a plein qui ne sont pas en ligne. <laughs> C'est lourd, hein, cette affaire. <laughs> On vous suit de très près. Merci Cyrus, merci d'avoir partagé votre parcours avec nous. On vous souhaite bonne chance et on vous suit vraiment de très près. C'est nous. Ouais. On va continuer cette fois-ci avec euh, notre rubrique hebdomadaire. Qui parle entrepreneuriat. Exactement. Le groupement Matin et Béro, c'est ça Bérois Un Bérois. Un Bérois. <laughs> Ah, jamais mangé ça, hein, on dirait. Ah, je pense pas. Hein, des femmes transformatrices directrice du haricot du village de Tagon, dans le département de Dogonduti, dans la région de Dosso, compte 70 femmes. Cette activité qu'elles mènent depuis 25 ans leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens, mais aussi d'aider leurs proches. Gaya Namelaya, présidente du groupement, au micro de Hawa Ousmane. Ƙungiya dai ta mu yau shekarar mu 24 mun cigo cikin da biyar. Mm. Kuma mata nawa ne suke wani aikin na biruwa? To da da muke mace saba'in muke. To yanzu duk wanda kuma yadda gidan gaskiya ɗan ɗan shi na so shi na ciki. To ita wannan beruwa kin da wani lokaci ne kuke yin ta? Beruwa. Beruwa ita ko lokaci da in ba da aka kufirkin gaba. yanzu shi in mun ka saba wake mun ka kashe mun ka yau muna biro shi to yanzu da aka kufirkin ga ba ta yiwa a ce a yi ta kwana biyu kwana uku tunda ana kwana biyu huta bata taho ba huta tana zakkuwa dan minti guda sai ta sai a dauke shi samu kira matsalar yin ta amma in ba dan kufirkin ga ba matsalar biruwa to ita wannan biruwa ki in kun yi ina kuke ka kuna saidawa biruwa biruwa kamar mu ta mu ta kungiya da muka yi kamar an ka tashi fura ana kiran mu mu tai da ita kuma na in mun kabarta kamar masu ta waɗanda sun san ma'anarta suna aikowa a saka a ɗauke ta a kai su sayi mm. to yanzu abin da muka nuhi gurin da muka son a cika mana fure zai ta cika mana mu samu inda ta ka hita wadda aka sai da maka da kuskus muku mu samu inda ta ka hita haka ne mu shi muka bukata to kun ce kuna zuwa wurin bashi ne. kuma nan ana yin wata gasa ta abincin gargajiya kun taba shiga wannan gasa muna ciki muna cikin wannan tunda duk inda aikin gargajiya ya tashi muna ciki muna ciki wallahi muna samun takuici mm. da da rabo mu ya koka samu mu kai tunda komai sai da rabo ko duk da rabo mu ya koka muna samu mu ciwo eh. mm. to daga nan ina ina kuke kai wannan biro kuna saidawa beruwa wagga ta mu ta kungiya ni ce miki munan in an ka kire mu fuwar muna tahiya mhm. in ka macen fuwar kin na an ka gani mai so in ya biyo mhm. shina dogon duki shina aikuwa na a zaka na a dauka mhm. kenan baya ga cikin Niger har kasashen shi kuna kai ruwa mu lalle an yi kanta an tayar da ita Burkina to amma tun tun dadiya to yanzu shi wannan aikin na Beruwa kun jima kuna yin shi kuma kungiya ce kuka girka ya ne kungiyar take tahiya kungiya da take tahiya wallahi kungiya da take tahiya ma ta ma alhamdulillah tunda yanzu inda ba ta gaggawa kun kai ba matan mu sai su ga kaf kungiyar mu ta haɗin kai ta tunda duk furezan da ta zaka sai ta sai ta iske mu tagon kuma wallahi alhamdulillah to yanzu baya ga aikin na beruwa a cikin kungiyar kuma me kuke yi mata me suke yi kamar matan mu yanzu muna yin garin wake muna haɗa da beruwa an zamu tahiya to zuwan gana mu da mun kai lokacin mun gama garin wake mun gama anashi inda da mun ka tai da shi da guda ɗaya mun ka komo da shi mm, to ba mun gama ana shi ba to wanga waken da kuke aiki da shi na biruwa kuke shibka shi ko kuma sayan shi ne kuke yi in za ku aikin wake wake kamar na biruwa da muka zuwa ta group wake sayan shi na muka sayan shi na muka mu kai manga za mu aji in mun ka tashi biruwa mu kowa kungiya uku an ka raba mu kowa ta raba ma matanta a ina aikin shi a ina aikin shi gobe a ina aiki sai mu biruwa mu ta yi to yanzu cikin kungiyar ku mata suna da yawa ya kuke tahiyar da wannan mata mata tahiyar da muka da su kici ni ce miki in mun ka samu abu sai mun raba sai mu keɓe saura mu aje cikin kungiya saura sai mu keɓe mu ba mata su ci goro wani irin matsaloli ake gani cikin tahiyar da kungiya to mu dai yanzu matsalar mu gurata cikin kungiyar mu ta mu samu tallabi ruwa amma in ba ita ba wallahi mata alhamdulillah tun da kan mu haɗe Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou, une autre balade musicale en compagnie d'un grand nom de la musique nigérienne, Garba Anko avec le titre Gargadi. Tina ko na kai kai kai kare gidanka. Ko ba a ruwa ka je kai kare kwandiyanka. Nan kuma an kana gida kai kare kwandiyanka. na da bari kasa kuma ba makana kasa ya hali gaba can kuma sai tsare kansa ba a zo haka su shiga na wajen su mai doka sai na kwabalika kuma shiga na wajen su mai doka sai na izaka tashin hankali a kuka da ba ni babu D'un Anko un trésor de la musique traditionnelle du Niger. Sa voix puissante résonne en harmonie parfaite avec les instruments authentiques fabriqués au Niger, à travers les mélodies Hausa qu'il interprète avec tant de passion. Et oui, son dévouement à préserver et partager la culture est une richesse pour le Niger. Garba Dan Anko incarne véritablement l'âme de la musique traditionnelle et son talent exceptionnel mérite d'être célébré et préservé pour les générations à venir. bayan ƙasa duka kowa zo gida mai aiki ƙasa ne balle ma da taimako yan shi ana ta ba mu domin yan ƙasa su ba su ka ba da gudunmawa amurka ta yi taimako da mu tsaya kasa mu avec le titre Gargadi de en Anko que nous partons pour notre reportage région et nous allons parler du sabre qui est un accessoire qui fait partie de la culture des Touaregs. Dans le département de Goudmaria, on rencontre plusieurs ethnies dont les Touaregs. Ils vivent surtout au nord et au sud du département. On les voit porter le sabre lors des cérémonies, des fêtes et même au cours des voyages. Oui, Rabbi, mais de nos jours, beaucoup sont en train d'abandonner cette pratique. Pour en savoir plus, notre correspondant Mahamadou Mado s'est entretenu avec Abdraman Souley, un jeune connu pour la conservation de la tradition touareg. Malam Abdulrahman Sule menene matsayin takobi a cikin al'adar buga shi? matsayin takobi dai al'adar mu na buzaye makami ne wanda muka ba muhimmanci wanda mun yarda da shi. Takobi ya kai kala kamar nan. Takobi zai kai na ainihin zai kama kusan bakwai haka zuwa takwas mm. na kwarai wanda muke so kenan. Akwai sunayen su? Na farko dai akwai takobi da muke kira tazarai. Ni ake ne da tazarai? A yare mu ma'anar shi barbara. Eh, shi takobi ne wanda a takobi ba wanda ya kai shi muhimmanci tunda takobi ne wanda kusan kaman shi da kanshi asiri ne. Ko ba ka takobi ne wanda in sara kai da shi ma ko jini bai taba shi ne muhimmanci shi da yake ba wanda ya kashe a cikin takobin da muke alfahari da su akwai abdurrahman ita kuma tana bin waccan ita ma ta ma karhe ne wanda yake duk wani murzuza za a yi da wuya samu matsala eh ka san a ciki akwai wanda da ka buga daya bi za ga yalan kwashe ko ya kare eh ko ya kare hmm. to su wannan da zan zana maka duka ba ta sare da wannan matsala kuma akwai adadigila shi ma yana bin wancan kenan akwai mugas shi ma takobi ne wanda sai kuma reza reza shi ma yana bin wancan reza ne me take ni reza ita ma kaifi ne sabar kaifi ne duk abin da ka sare ka wucewa ne yake sai kuma almulku hmm, shi ma takobi ne mai bin rezan kenan daga nan kuma cikin na kwarai din akwai alekis to shi yake biya ma waɗannan waɗannan su ya takobi wanda muke ji da su a buzanci ya ne ake ana samun su duka ana ake kera muku su ko ko akwai wanda sai an siyo daga wani wuri daban ko wanda sai an so su daga wani wuri ko takobai ne wanda waɗansu sun na ainihi na gado ne ake samun su yanzu baka ma samun su a kasuwanni ake rike da su har yanzu ana jujjuya su kamar daga wani ƙasa ne ake samun su to a nan Nijar ana samun su kamar su Alger ana samun su a Afirka da wuri ake samun su musamman inda aka yi yaki yaki a da mafi yawa duk akwai su tunda su buzai da su ne suka amfani ta babarbara na gaya maka yanzu aka tana wuyan samu eh, duk aka mata kobi a ce ita ce ba ita bace ya ne ita warwaran na ake gane ta tunda ka ce wuyan samu ka ganta ma akwai tambarin da ake gane ta mafi yawa akwai wani tambarin kada za ka ga akan ta eh, daban take ita eh, da sauran takobban kuma tsada gare ta ita ɗaya mai ta sai takobi kusan biyar ko shida abar muhimmancin ta kuma tana da wani abu kaman asiri ne ita ma inda ita kake kaya kana iya kashe lahiya ka da walahiya a tsari mutane mu na ruwan suka gabata kariya ne kuma dabba ko mace in ta samu matsalan ana iya wanke ta a bata ta lokacin aihuwa yawa lokacin aihuwa Eh, na dabba ko na mace eh. duk ana wankewa a bata ta sha shi da barbara kenan eh wannan ma muhimmancin da ake so da gaita kenan da wuya dai gani buzu kaman a daji haka nan yana yawo babu takobi na a jikin shi ko wanda kaman barun su da harkar takobi a cikin bugaji eh akwai wanda kaman gaskiya wanda suka sha gari mafi yawa dai ana son ta mi amma ya dan ragu akan wanda suke jeji shi takobi makami ne wanda yake mu ana al'ada an kattai ko wani da bayan gari za kan baka da shi kaman gaskiya hankalin ka bai kunci shi yasa ne to abu ya zama mana kamar al'ada ba da wani fitina ba ko ne ba kawai da takobi ko ziyara zaka ko bayan gari ko kana rataye da mun ga ke tafiya in ana aure sai ka gani ango ana rata mishi wannan takobi wannan me yake ne eh wannan shi ma al'adarmu ne na buzaye a rata mishi takobi ka san abu ya kasance makamin gani ne kawai shine zaka gani an zo shi kuma a nan wuri ya nuna kamar ado kuma har yanzu shi ado kuma yana nuna mutun cewa shi makami akwai muhimmanci eh al'adarmu na buzaye kenan insha Allah musamman ma da yanzu ya zamanto yawanci mu na zamani ba mu kula da al'adar mu ba gaskiya kiran da zan yi ga al'umman mu na buzaye kar siyar yarda bar al'adar na takobi shi takobi makami ne wanda mun bashi aminci ko a yanzu ya yi mana kowane makami kenan duk abin da za a yi ya zama kana tare da shi tunda shi ma akwai wurin shi ko wani tarihi da muke ji kaman a da ana cewa takobin da barwara na idan ka siyo ta kowane shekara wanda ka siyo a wurin ta sai ka bashi la'umi ko ka bashi wannan zancen ya ne gaskiyan wannan al'amari a wannan shi bai da tushe wannan zancen bai da tushe ita ba bai ka sai da hannun mutum kawai ka saya kun yi cinji ka abun ka eh ba wani abu bane insha Allah Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Guruza Hassoumi est dans la place pour le sport. Bonjour Guruza. Bonjour Rabi, bonjour nous. Bonjour. En forme j'espère. Ouais, ça, va. Super. Alors le bureau des supporters de l'Urana d'Arlit a initié un tournoi de mise en jambe pour les clubs engagés à la Super League nigérienne. Oui, Rabi. Et ce tournoi permet aux clubs d'ailleurs de se préparer pour la grande compétition nationale. Chaque région essaie de préparer ses équipes en fonction de ses propres moyens. Agadez, c'est le bureau des supporters qui a eu cette initiative de rassembler les équipes d'Agadez, de les jauger un peu, de se préparer avant le 18 novembre 2023 pour le démarrage de la Super League. Les équipes euh, participantes sont l'Urana, Akokana, celle d'Agadez, Parc AC, Préfecture, Uska, Bayou Allah. C'est une équipe même, Bayou Allah. Et eh, Aïs Kairi. Les matchs ont débuté d'ailleurs euh, depuis mercredi entre euh, Akokana qui a disposé du Sahel sur le score de 3 buts à 0, même score entre Urana et Park 3 buts à 0. Gourouza Agname également, ces matchs de mise en jambe se déroulent. Oui, et sinon depuis quelques jours, les équipes de la capitale se préparent activement. Il y a eu euh, la rencontre en Sahel euh, de Niamey, victoire du Sahel 1 but à 0 devant Fan. Aujourd'hui, il y aura l'Olympique FC Liberté. Parlez-nous du championnat d'Afrique d'aviron. Oui, la 15e édition des championnats d'Afrique d'aviron a enregistré euh, la participation de 168 rameurs représentant 20 pays, dont le Bénin, le Togo, la Libye, le Cap-Vert, le Soudan. Le Niger n'y est pas. L'Algérie a mené 14 armeurs dont 6 ont eu leur billet pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais Gourouza, c'est quoi l'aviron Ah ouais, c'est une bonne question pour faire comprendre à nos auditeurs. L'aviron est un sport d'équilibre, de glisse, de vitesse, dans de longs bateaux effilés, effilés en bois ou en matériaux composites. L'aviron fait partie de la famille nautique et c'est un sport olympique qui existe depuis 1896. Mmh. Le Niger ne pourra pas participer euh, parce que c'est un sport qui se pratique euh, sur la mer, mais il faut le préciser souvent. Et nous aussi, nous avons notre propre aviron la compétition du ah de ouais. se déroule sur, le, <laughs> fleuve. C'est notre propre environnement. Ben oui. <laughs> Voilà, On a notre propre avion. Merci bien, Merci beaucoup. Merci, Gourouza, pour euh, toutes ces informations sportives. Euh, Rabi, euh, cette fois-ci, nous allons découvrir la star du jour. Et aujourd'hui, celle que nous allons découvrir ce matin est une sexagénaire habitante de la commune de Walam, dans la région de Tilaberi. Elle est membre de plusieurs associations féminines. Sa principale lutte est de mettre fin à l'extrémisme violent et de ramener la paix dans sa région. Elle se nomme Mariama Makarimou et Adama Dawaki l'a rencontrée. aigo yo dai gate aigo association o kan signe rdfn ngi dai association kan gine ai gin ga furo aigo president departmental in kanta aigo farm leader aigo farm ambassadrice aigo farm mediatrice aigo farm kagalo to an tant que farm mediatrice ko gati goyo kan aran gati da kurnyin da wando no sigma charse irga koi irmi sasabande dan so dai ba nga hige hige misal fu furirano irin ma ir ko yi kukul kambai ir mi yamar yin problem mo ha kalim du problem mo ir mu wo yamar ir mu wo yamar ir ga ir mai ni gbar sin hin kuno kan sig ma ir ko ko ir mi yamar im na ram fitin wo zan amka dirga hankan su kano za kan ni sintin go ifo gati go na fa kan ni duwara. wallahi goyo na fa ai duwara na fo bambata zamai duwara bon ferei bobo goyo bun bora bon ferei bobo ai duwa o ni je ga de projet ga ki ne bon ferin da wai din bun bo a tontonai sai ay beera ga wadin banda ay hinai kan murada ga feri ay ga murada feri kaina kaina inda bora ga macar sai non kul kai fatta hajja mariya hajja mariya wadin bumbo gomnino kam bora bor bay inen goyo bay inen da bay goy mo isa te de futai dol ni har no borware sai akana fotunu wo ne har de dali ne ginfune in ga ban sai du suru dol de hin hin surai kul ka eh, borfoten sai nim hin suru daga soho zakan aran gogo te non go

de la cohésion sociale wai da kul irgite irgo e bombo dai no aka irgite ai wera zam songo a lokaci rano irgo so kan aran guga te ifo ga tibar mai yan wallahi bar mai yan bobte bar mai yan bobte zam zan ka izu futa a zabu banditara kan iba ngai furgite hanyen su yan boba da hankan su bodu kulu izabara wai bare mo ngai mo ifaham kan ir gondu Irgondu ir gondu fondo ir bore ir gondu fondo irmo meda labo sandira lakkal wo kanka manti eh, soje hinne na guguna ir kunno himga te sogiya yan ga ir sogi taradin irma kayendi kayandi ir mu kai tangam hay kulka iddi kan te eh, illa bo sen nan hay kulka iddi ga baga te kan eh, kadin labu bo sen ir himga ci zadi hinai ima bonza zamadu hadu wahala ban ka zamun kunin idda place do refugee kan gono kunu bar koy do bakarande ifo no kanda za sin yi mandu shawara no me za sin tina no na gayi no bai in gayi a saka ma ko kun ka ban ga kan din ne hun kuna yi go tabi to so nun wo ni go kan go te ni gonda ise kan ni ga mila a gin gin tubu din nana wala ni gonda boro kan ga wai bor kan ga ni nana wallahi ai gonda iz kan ba hun ne me ce no bo ba hun kuna me ce no bo a goyo rana go zami eng suna te animation na te ba hun kurmi ci no bon kai kul kan ai ka te ai singa te zati har foyan badi ne ai eh, marga ganon foyan kan ai singo koi ne gidi le ge gna am ko zama ai ba hanka kage ni te ai go singa tem zama ga ba go ni sang tare ibine ai go zen no zakan ni sinto go ifo gati e, masala kan ni e duara ara masala kan ai e duara ara dai te goy gine gengai danga goy gine gengai dai ta tam kul irga ba irin muto irin yayi zai kan go gido isi hin go to ido zalaka tuna man ka go to yakine irga ba mu ko ido motisi ai sin dai kan bu moto ke ga mo sunan go kulte Il ifo today message bu koranta kan goni se irgo gun ware irko ga kan sisi bor Il ware lakka tuno irgo mi kadir se dogonai irko mi kadir se dogonai ma bane illa bora il la ye ka ang na mu irgin funai ga hay igate irwoi bare fondra ye banda zamir gondi nongo imsi bare banda hay kul ka igogite labo harkra imwoi bare dangara

de la musique traditionnelle de la région de Tillabéri. Sa voix enchanteresse et sa maîtrise des mélodies anciennes transportent son public dans un voyage au cœur de la culture et de l'âme de sa région natale. Et oui, sa passion pour euh, la préservation de ses trésors musicaux est une source d'inspiration et sa performance est une célébration vivante de l'héritage musical de Tilaberi. Webi Karma est une cantatrice exceptionnelle. Vraiment. Ali de Weibi Karma. La cuisine doit être dans une maison l'une des pièces les plus propres, car tout ce qui y sort va dans la bouche. Vous l'avez compris, le loti d'aujourd'hui met l'accent sur la propreté, l'hygiène dans la cuisine. On écoute Rekia Arimi et Mariamade sur le sujet. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Hey! Matsukiji. ko kuma ya banta shi ba ko kaɗan <laughs> wannan ai na wa'anda ba na gagaye ne kumya hmm. to tsayawan wanke hannu na mu dawo mu ci gaba da hira aikin sa hanya i kamar gidanki kike hmm. hiyeyi subhanallahi me nake gani gambi gambi mine ne mi aka yi wallahi kin bani tsoro mine ne me wannan kicin kin naki ban gane ba nyanya nyanya biki gane ban gane ba me nake gani a gabana haka ke a ke me kike gani hmm. ba komai wai ke kina da hankali ma ba ki ganin yanayin da kicin kinki yake ciki duba wannan saltan da Allah ai saboda yanzu na gama girki ko ba yanzu muka ci abinci ba ko dan kwana muka tashi muka huta ba mm, mm, mm, duba yanda salte suka yi yawa cikin wannan kicin naki ba kya ce mini ba dai na dahuwar yau ne heyai duba kwanonin ki duba farantin nan ki yadda suka taru kuma suke da salte kamar dai an yi shekara dubu ba a yi wanke wanke ba a gidan nan wai wai wai wai ke jama da Allah da annabi ki shaha min lahiya baki nan gani da bani da kowa da zai taimaka mini tsakanin aiki kula da yara da gida gaskiya bani da lokacin gyaran kicin gaskiya wallahi kina bani mamaki baki da lokaci ai dai kuma gidanki ne ko ya kamata a ce shi ma wurin nan ya kamata a kula da shi kamar yadda kike kula da ko ina kuma wurin ga shi ne ma ya kamata na farko da ya kamata ya yi tsafta tunda daga nan ne in abu ya hita sai baki ha bai hankalinki bai tashi ma saboda lafiyar iyalinki kaka rashin wanke kwanoni zai shafi rashin lahiyar gidana dokan halayyar rashin tsafta da kuma rashin kula da lafiyar mutane yana iya kawo miki yaɗuwar cututtukan da za ta laƙe ga abinci kuma daga baya ya kawo miki wani illa a cikin lafiyarki. Ah, da gaske kike? Eh mana. To yaya zan yi in, kiyaye tsafta cikin kicin ina kuma? Kin san ana ganin mafi girman yaduwar cututtuka a ɗanyen wurare ne. Misali sosan wanke-wanke, kyalle, magudanar ruwa da famfo da kwanoni masu salte. Fara da zubar da tarkacen nan da ragowar abinci yadda ya kamata. kuma ku wanke kwanoninku nan da nan shine mafi mahimmanci shafe wurin dafuwarku da sabuli da ruwa goge teburin da kike yanke kayan miya tsaftace duk wani wuri da suka hada da kofofin firji fur kiziniyar da dai sauran kayan aiki ke kar a ajiye shara a wuraren da ake dafa abinci kamar wannan cikakken kwandon shara da ke bani takaici kamar in kece ki da mari kuma kina iya ajiye shi can gaba kuma a rufe shi da kyau don gujewa jawo kwari. zaɓi samfurin da ya dace don tsaftacewa ko maganin da ake ce ma odijavel don kashe ƙwayoyin cuta amma a mafi yawan lokuta sabulu da ruwa ma kawai ya wadatar wai wai wai wanga abu duka kin ga gambi ki kula da lafiyarki da kuma ta iyalinki kuma ki san da cewa lafiya jari ce shikenan to zan gani in zan iyawa gaskiya wallahi ni na gaji biki na bani takaici in an ganki ga kinan tsab tsab tsab a waje amma kicin kinki takaici. Mm, Allah abun takaicen kuma. Ya ma wuce nan. Hmm, to, ina sauraron ki miye sauran shawarin da zaki bani don in kiyaye wata dauɗa da wasu kwari cikin kicin ina kin ga Za ki iya ajiye kayan aiki da kayan da ake amfani da su wajen tsabtacewa a kusa da inda za a yi amfani da su. A rika tsabtace kayan abinci akai-akai a wuraren da ake ajiye busassun abinci kamar su taliya, shinkafa, gwangwanayen abinci da hatsi da dai sauransu don hana taruwar kwari da dai sauran cututtuka. A zub da sharar gida kai-akai kuma da kyau. Halayya ce da wallahi barinta yana da wuya kuma tunda ina zauwa wata ran daga wurin aiki cikin gajiya sai kawai in manta da lokaci nan da nan dare yayi bani maganin bani maganin lahina cikin duk wannan abubuwa wallahi a gaskiya ba abu bane mai sauki akasin haka aiki ne mai yawa amma ana iya amfani da bicarbonate farin vinegar ko kuma lemon tsami a gauraya shi da ruwan dumi-dumi kaɗan da gishiri don wanke maiko-maikon da ke cikin kicin kinki shi kenan wannan in kika yi shi kin ga ba kyoya ba wani cewa ka gashi. to abin ta bakin ki da sauƙin yi amma dai na san da dowa da an ka yi sai na kama jikina sai na sa kuzari saboda tana yiwa a ce kullum da an kaga cin abinci zan yin shi kawai ya kamata dai in dai saba ne. Mhm. ko kefa kin ga a hakan kwalisa ki heta cika <laughs> gaskiya ko jama na gode insha Allah zan kula da kicin ina da duk abin da ya saura da ya hiye mikin ba haka ba mijin ke ka miki kishi ni da na san hakan za a yi da ke bude baki sai zan kishi passé de 50 minutes et c'est l'heure de notre rubrique culture linguistique aujourd'hui qui sera présentée par Tarnan Foudey Ahmed du desk Tamashek. Nous en saurons plus sur l'expression le, couloir de passage. Oui, euh, aujourd'hui, on va voir euh, couloir de passage, euh, un terme qu'on a l'habitude de rencontrer. Certainement, vous allez rapidement vouloir savoir c'est quoi le couloir de passage. Un couloir de passage est une piste ou un chemin affecté au déplacement des animaux entre deux ou plusieurs localités pays ou des espaces pastoraux. Ces couloirs de passage font l'objet des balissages, c'est-à-dire une technique d'aménagement qui vise à, les préserver, réhabiliter et matérialiser. Quand vous prenez au Niger, par exemple, ces couloirs de passage sont gérés par l'État et les ONG. En Tamashek, couloir de passage nke soka i daga wansan ta kan tanax sawan ger chugas i daga wini china chamosan taret nasan mer i daga ninke wini ala al hukumi kanen fela dstis magnat sum magnu fela dan nasan daga dolta niger gas i dagan inke wini al hukumi man net ten wen jetana na tafandersan tani mert Merci. <laughs> Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haussa, en germain, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 64. J'ai dit bien 82 89 89 64. C'est nous, ils sont nombreux les fans de cette émission à nous envoyer des messages. Écoutons ensemble quelques-uns. ay magatin mummu na sule matron de ton de. kiwindi ai ga studio kalanga hangar ya zama labari hanne na guno bores fa kare yana agono kan yan iga borbe yende de bonni hangar mo ag igin nafa lakkal kana bon e labo ke di ruwo bon ido gondi radio communautaire lokaci kul ki feri kul eh, information kul ki gogno irgo gogmara studio kalangu wana ni sunana umaru sanda muna gaida video studio kalangu domin sababbin shirye-shiryen da waɗanda suka yi suna birge mu kina nan mai fuɗe gari a bisan taɓe bengoni ile yau da mai fu e hu men getti hu shirye-shirye jini ɗe ngoni ɓe gaɗa hayi ɗo ɗo ɗon duɗo to men ngoni min getti kinna no ya aminu ɗo to woni men gondi ibube en umaru en ɓe fu jampele men ngoni ɗo en kinno wuroje na suka pele walla alhamdulillah na rashida sule mai bi suna la'er to studio kalangu muna jin daɗin kasancewa tare da ita a kowane lokaci don da inda shirin su ya kama to duk inda zan nemo portable ina in in saurari labarai ina nemo shi saboda ko da bani da wayayyun whatsapp ne in dai ina da sallah wadda zan saurari studio kalangu to ina nemowa ne saboda in saurari labari ta kan studio kalangu saboda duk abin da ya faru a niger kowane iri ne kai tsaye suna watsar da shi ina jin daɗin kasancewa tare da su a kowane lokaci allah ƙara musu goyon baya ɗari bisa ɗari kuma allah bar mu tare da su farko dai ina gaida ma'aikata duka na studio kalangu ina ba su dubun gaisuwa da fata alkhairi sannan kuma duka ma'aikata radio dalol ina gaida su sannan akwai ma'aikata daban-daban duka ina gaida su ma ina musu fata alkhairi akwai tonton ina aliyu mai rija shi ma ina gaida shi akwai babana ɗan galmi Voilà, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sous le Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rabi Meikano et moi-même Ali Moukela alias Seno. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La technique de cette édition était assurée par Issa Lawali et Rahilatou Soumana était à l'édition. Ne manquez pas l'actu des jeunes et tout ça à la fada le week-end à partir de 17h, suivi des forums de studio Kalangu. C'est nous, c'était un plaisir de présenter cette émission avec toi. <laughs> le plaisir est partagé. Voilà, nous allons clôturer cette émission avec euh, de la musique. Voilà, on vous laisse, chers auditeurs, avec Sorbado de Mamar Très bon week-end à tous. Au revoir. till